prison te euh, am na yenn yi ma desal rek euh, doy mbay mhm. yow yaay magu plateau bi mhm. euh, nga fàttali nu rek njëriñu sahar ban njëriñ la mën a amal askan ak ak ban rôle lay joué ci li jëm ci wàllu ñoŋal ko jërëjëf Saturne xam nga bo xolé la gare de Tivaouane mhm. ñu ngi koy inauguré le 17 octobre 1897 par André Le Bon dafa inauguré le matin à 11h l'après-midi à 16h mu dem inauguré le pont Federbe le pont Fédère à 16h, mhm. le matin à 11h, la gare de Tuaon. Mhm. N'oublions que Thiès a été commune de pleine église le 31 décembre 1904. Mhm. Bien avant 1904, le train sifflait encore au, Sénégal. Tout à fait. Bien, donc, beaucoup le chemin de fer, nous devons lire, même les livres, Ousmane Sosé, Diop en train de saint à Dakar mm-hmm. avec Karim Gueye. Mm-hmm. ah Karim monta dans son compartiment. installa ses bagages on lui avait remis de nombreuses commissions destinées à des parents qu'il fallait distribuer le long du trajet. Mm. mu ne euh, ah Dakar ah. là-bas au bout des rails une gare semblable à celle que l'on voit depuis ce matin mais plus riche plus somptueuse avec un monde plus européen Dakar. Donc pour démontrer que Saint-Louis, mhm. Dakar et tout le long du trajet, mhm. c'était, disons, l'aspect mhm. environnemental, l'aspect économique du Sénégal, le Pour démontrer que chemin de fer, nous voulons désenclaver les, le Sénégal. Bodemé, Rao, Pal, Sakal, c'était des villes qui, c'était des euh, bourgades qui étaient très animées. très animées. Lagnard, la gare de Lagnard, très animée. Et surtout l'occasion pour les paysans d'échanger leurs produits avec, euh, disons, les voyageurs. Mm-hmm. donc loolu waru woon dee. tout à fait loolu warul woon dee. Mm-hmm. Mm-hmm. te pourtant cheminots yàgg Il xeex. y a une première grève en 1938. après il y a la grève de 1947 avec lii pour Badadio Ousmane Sembène. yaa ngi donc semaine de fête dafa bokk patrimoine Sénégal dafa fait partie de nous mag ñi bu njëkk ña. daaw ñi ne añ dañ naan xaar euh, euh, ah. euh, que les mhm. mhm. tout à fait n'est-ce pas mhm. donc vous démontrez que le semaine de fer jouait un rôle social un rôle économique et même un rôle politique parce que des entre le Sénégal et le Mali la fédération du Mali lorsque les gars étaient avec le Sénégal le 20 août 1960 le 19 août 1960 les gars ont pris le train pour aller au, au, au Mali n'est-ce pas donc pour démontrer que le rôle que le chemin de fer jouait comme les trois livres yi ma donc les Sénégal ne doivent pas mourir. Tout à fait. Donc la relance, c'est une mhm. bonne chose mhm. pour tout le Sénégal, n'est-ce pas, pour le désenclavement des autres villes, des autres régions. Tout à fait. Formidable. Et aussi là, mhm. euh, euh ont fortifier la relation euh, internationale. Parce que euh, le Sénégal, on disait DN à l'époque, c'est Dakar-Niger. DN. Donc ça a quitté le Sénégal jusqu'au Niger. Donc pour démontrer que c'est toute la sous-région qui était intéressée c'est une forme d'intégration régionale, d'intégration mhm. économique, d'intégration politique, Et les étudiants, à mhm. l'époque, qui quittaient le Niger pour venir étudier au Sénégal, ils ont pris le train, les nous mhm. Lorsqu'ils étaient venus ici à Gorée pour étudier, il y a Émile Derlin Zezou, qui était le premier président du, euh, disons, du, du, Les Djuri Amani, qui est Niger. du, Niger, n'est-ce pas ils, ils, ont pris le chemin de fer Effectivement. pour Démontrant encore une fois le Sénégal a joué, le fer a joué un rôle extrêmement important dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans le domaine social et dans le domaine économique. Tout à fait. Formidable. Magnifique. Complément d'information, uh-huh. moi euh, actuellement, uh-huh. li nga xamantene moy xew à Thiès uh-huh. ci Sénégal yépp moy xew Mali caille Parce que ñom semaine passée ñi ngi aussi ni sen semaine de fer commencé nañ pour muy dawaat ba terrain bi ni mu arrivé à Thiès. Mhm. noonu la arrivé ca Kaay ca Mali. très bien pour ñoom ñu féete. li ci 37 gares. 37 gares ah oui Kaay. yi Malien yi ah, ah, loolu dafa nekk loo xamante ni surtout chemin de fer bi Thiès moom promesse électorale tenue la. tout le président la République en 2019 la fi ñëwoon wax ni chemin de fer bi nañ ko relancé en avril ñu ngi koy doo gis mais di ci sant yàlla parce que tey am na ñoo xamante ni ay doomu Thiès lañu. dina leen ci félicité quand même. Mm-hmm. ci campagne bi nga xamante ni mënoon na ko kenn ki day nekk doomu kër gi muy Mohamed Badji nga xamante ne moom soo waxee mu la doomu chemin ñoo la <laughs> kenn ki day nekk Moustapha Ndiéguène <laughs> nga xamante ne moom yow Moustapha Ndiéguène si si relance chemin de fer ji yitteel na ko ñun mm-hmm. témoin lañu mm-hmm. ñu dem ba ci ñi nga xamante ni dañoo yor ci relance bi mu jëlee ñu Thiès ba dakaar pour ñu discuter si nan la ñuy accompagner relance chemin de fer bi tout à fait déjà ñoom préparé wu nan ci nga xam lii nga xamante ni su ñëwee na la ñuy accompagner mbir mi. Mm-hmm. ba du am benn benn benn benn jeexi jaaxa. ci mm-hmm. mbir mi Moustapha Ndiéguène di ko félicité wax ko ni sa président bi li mu li mu ñu li mu ñu digoon fii. gis nañ ko gis nañ ko quoi. Moustapha Ndiéguène démb rek damaa dugal article bi rek mu commenté. Ah ma ma gis turam ma ne ah eh sama waay moom daal euh, il a le train dans l'âme. ah oui euh, moom ah euh, da koy da koy dund vraiment. il est brave lui euh, mungok sahar sangok saa ngoog monsieur Ciss ci euh, dëkki bi nga dëkki la taarixub sahar ndax ba darawul dara ba dara woonul woon dara sahar gala ci lañu dan ñu ñi nga xamné ñoy jaay ci gar bi di gis sen bop mu nek nak lu am solo iso euh, ay chef religieux de la lañu ndax ño nek ci mouvement des chefs religieux xaaral ma xool sax

lawun lawund seen déclaration boobu mooy taxawaay bu prestige am ci réewum euh, ci région bu Thiès euh, li ko yitteel une télévision à vocation régionale euh, ba tax na religieux yooyu daal daal dinañu dugg ci jàppale prestige ngir daal prôner la bonne parole ba prestige daal di am wala dugg ci TNT bi dam Sakho la ñu njëkk déglu ndax moom moo njëkk wax laata grand serigne di wax Ndeyaw Sarr ñu seetaan dam Sakho 14 raisons yi ci Sénégal yépp yëg nañu ne benn amu ci signal te bu nu jëlee lépp yóbbu ko ndakaaru mooy capital bi waaye Thiès mooy buntu capital kon suñu fi amee ay ndaw yu liggéey seen alal ba waroon koo jël jëfandikoo ko ci seen bopp jox ko seenu njaboot bàyyi ko fa di ko service njaboot gi président de la république yaay président sénégalais yépp lii nuy wax yow lañ koy adressé soññu ñu la ndax du bariwut looy fàtte waaye dañ lay fàttali loo xam ne xam nañ ne fàttiwoo ko muy Cees gi am na ay ndaw yu fi nekk jël seen alal wut fi ay entreprise rawatina ci fii nga xam ne ñun ci la ñuy liggéey muy média bi dégg nga ñi ñu leen tudd ak ñi ñu tuddul dégg nga ñi ñu lim ak ñi ñu limagul ñoom ñépp bu ñu leen boolee bu ñu leen joxoon ay signal lu mu gàtt gàtt ku ci nekk lu mu gàtt-gàtt ku ci nekk di nga jël lu mu gàtt-gàtt fukki nit ku jël fukki nit nag ci am réew soo ci amee juróom yaakaar naa ne dana wàññi employé bi nga xamante ni si nit ñi ñu ngi koy kaas soo ñëwee Thiès dégg nga ni ñu ko waxee Prestige di télé boo xam ne bi mu juddoo ba léegi cees la nekk ñépp xam ko ci Thiès ñu gisit li muy liggéey ci Thiès gisit waa Thiès ñoo ciy liggéey suñu amoon signal dina. kon président ñi ngi lay soññ ci lii nga xam ne ñi ngi lay ñaan nga dimbalinu ci cees nag lañ ko commencé ndax cees la ñu dëkk waaye ni ñu koy ñaanale cees buñ sañoon Sénégal 14 régions yépp fu ci nekk am ko mu gën ko yombal beneen bi ci des nga gën a taxaw waa Thiès leader yi fi nekk ndaw ñiy góorlu jigéen ñi fi nekk askan wi nga dolli leen a bàyyi xel ndax kat réew mi metti na te gis nga lii fi xew pour lu ko fi mën a jëlee mooy ndaw yi nga xam ne ñi ngi toog amuñu am xëy ñu wutal leen am xëy loolu nag bu ñu ko waxee ñii nu tudd lim leen te ñu dëkk Cees ñi ngi ciy bay seen waar woo leen dooleel leen woo leen dolli leen loolu boo ko defee incha allahu dana yokk lu bëri waaye daal dugalal signal Cees jox ko prestige fulku bii di am fii dina gis nañu mi ngi ciy taxaw di am kër sëñ Saaliw Ture mi fi toogal kër Cheikhul Khadim kon dolli leen a jàppale dolli leen a bàyyi xel dolli leen a taxaw yal na yàlla jàppale leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, Serigne Dame Sakho doon àddu ci njëriñu Prestige TV ci li nga xam ne moo jëm ci Thiès rawatina këru euh, diine ki nga xam ne nag bokk na ci ñoom mooy grand Serigne bu Thiès moom nag àdduna Euh, kàddu ya rafet lol nak ndax euh, c'est un euh, ap nit ku jëkku ab la muy wax la saa yu àddoo rek nit ñi bàyyee kàddoom xel japp naa ne nag ña nga xam ne ñoo message bi nga xam mouvement des religieux pour l'émergence dal di nañ ko joyal ngir télévision régionale bi di prestige ñu dal di ko incorporer ci li nga xam moy TNT bi japp naa ne nag waxub grand sëriñ bo pd du dugg ci nopp bi mu génnee bële su duggee rek day des fa nga xam ne foofee la war a des grand serigne bu Thiès moom lañu déglu ci li nga xam ne kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci ndaje boobee. kon président ñii di la ñaan tey àdduna xam nañu leen Thiès xam nañu leen réew mi xam nañu leen ñoo ñëw tey fas yéene nag tele yi nga xamante ni bii ñu ngi Thiès bëgg ma nga may leen signal. jox leen TNT bi TNT bi lañuy laaj tey jii ku mel ni waa groupe précise ci njiital directeur ba alxaaji Papa Doumbia di nit koo xam ni nit ku mën a def social di nit koo xam ni nit ku mën a taxawu nit di nit koo xamante ni bii nit ku mën a dem ak jomi boppam ak moyey boppam li ma koy faral naan koo may junni na jël ndax ci àll bi nga yendu fa ngay fanaan fa tubaarakallaahu télé bi nga xamni mom la ubbi muy précise TV fa tubaarakallaahu ñu amaat li nga xamanteni bi modi radio bi 95.5 vingt quinze point cinq fa tubaarakallaahu wolof nee na ku yokkul yaa wàññi Pape Doumbouya bëgg nañu Thiès précise dumba président Macky Sall nga may leen li nga xamni modi TNT jox leen signal bi ndax kat yani emploi employé des jeunes ndaw ñu buñu amone ci lu mu ñu jàpp kenn neewul nag ndaw ñu amuñu ci luñu japp président ku la xam yow xam nga li xam ni liggéey nga liggéey bu am solo ku la xam xam ni liggéey nga liggéey bu mucc ayib ku la xam xam ni réew mi bi nga ci jotee ak bi nga ci jotagul ah ku teew ci réew mi xam ni réew mi nag émergent na ndax nag yow sa taxawaay te wolof njaay naan lu ni fang kenn di ko jeex subaak ngoon guddeeg bëccëg yaa ngi liggéey ci réew mi lu am solo waaye nag li sëriñ Dame wax léegi xutbul watan min al iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yàlla te ñun Cees la ñu am bu dëkk réew mi du Sénégal la am bu Sénégal doon tàkk xamuñu fu ñu jëm fii la ñu am mënuñoo génn réew mi amuñu ay passeport diplomate mënuñoo dem fenn Sénégal gii la ñu mën a toog kon réew mi daal liñ fi bëgg mooy jàmm jàmm jiñ fa bëgg nag mooy incha allahu ndaw ñi boo mayee télé yi tey ji bay ma tudd ko mel ni précise boo ko mayee mu gën a yokk personnel télé boo xamante ni bii lu mat cinquante personnes chaque mois ñu taxaw ñu fay leen seen salaire te kon président suñ teentee la ñu bëgg daal nga jox ñu ko ñu ngi la koy ñaan nag ci yar di la ko ñaan ci teggin ndax président nga boo xamante bi réew mépp bàyyi nañ la xel sëriñ de Thiès euh, ak euh, kàddum yu rafet yooyu nga xam ne yëkkati na ko ne njëkk rek la ñuy waxee waxuñu nag ak xëcc mu nekk nag loo xam ne lu am solo la kon nag yàlla na njiitu réew mi dégg kàddu bu grand sëriñ boobee ba li nga xam ne moom mooy prestige ñu daal di ko incorporé ci li nga xam ne mooy télévision numérique terrestre bi ndax euh, li jëm ci wàllu potentialité wàllu programme yooyu yëpp daal euh, jàpp naa ne euh, diis na diisaay boo xam ne suñ ñu dugaloon it ci TNT du ñu yoon jox te dinañu gën a fësal li nga xam ne moom mooy liggéey bi di ko def nag. sans parlo logique rek lañ koy défé lolu nak moy suñu sacerdoce euh religieux yi wax nañu waxal nañu prestige. mais li wax day deug mhm. parce que <clears throat> gis nga li Sénégal li était représenté Sénégal. Mhm. lolu le prestige représenté Thiès. Thiès mhm. su Thiès wa découvrir toog Thiès. def émission mu jàll en direct. nga génn. say mbokk la sétan nan la. si pertinence ci. image yu leer. Mhm. ak audio ba audio bu leer. Mhm. prestige la nag. Mhm. franchement loolu moom mooy dëgg. waaw ah, franchement gi nga depuis sénégalais yi Thiès waaye découvrir ni. prestige ñoom ñoo ko moom. lan porté combat wu comme si TNT bi tout à fait. juste pour wax leen ni amul benn règle bu ñuy teg boo xamante ni TNT télé mën na koo remplir bu pour dugg TNT bu bu prestige bu prestige mooy. lépp la respecté. comme lépp la respecté nag dañuy euh, accompagne ñi nga xamante ni ñooy chefs seen ñaan. Mm-hmm. ñaan rek si njëkk ak fan la bolokaas toll. Mm-hmm. ba Prestige TV. Mm-hmm. mën a dugg TNT bi ndax ñi fi nekk ñëpp maam ñi liggéey si kër yi ñëpp dund ay nit ñoo xamante ni dañoo débuté si média ñëpp ay professionnels lañu. Prestige mën wax fii la fara. même élection yi nga xamante dañ ci dem même le directeur bi nga xamante ni na candidat mhm. mais da ngay sentir prestige ñëpp la accompagner tout à fait te gis na fi intérêt national yoo xamante bi seen candidat nekkee léegi nii nii rek bi seen candidat euh, seen directeur nekkee candidat mhm. da nga xam ne ni ñuy traité information bi changé na mhm. mais comme loolu amul day ñaan ñi nga xamante ne mooy le président Babacar Diagne TNT kat prestige ci waay ñoom ñoo ko soxla te su duggee ci avantage sénégalais yëpp la ndax actuellement lii information di jàll ci Thiès yëpp nit ñi di ko di di ko découvrir. Mhm. Prestige lay jàll. Mhm. ku ku ku ku sa bët tooy na fii ngay ñëw. Mhm. fii ngay waaw waaw sa bët tooy fii ngay ñëw. comme loolu am na nag Thiès waa ñoo recommandé loolu di wax jeunes yi aussi ñu gën cee taxaw am na ko ciy xeex xeex bu métti muy Ndiaw Sarr. mais dañuy waa jeunesse Thiès yëpp ñu gën a jug taxaw parce que TNT su Prestige duggee seen bénéfice la loolu mooy dëgg. tout à fait euh, mu nekk nag euh, lu am solo ci li nga xam ne. moom mooy jàngatu pour Moustapha eh, Moustapha Diagne dama koy denc ba altine jam jàmm eh, altine eh, jàmm ndax mooy président synergie républicain moom dafa wax ci mbirub Kajoor Glace ah. am kàddu yoo xam ne yëkkati wax ne wax jëmale ci meerub Thiès mm. loolu nag des denc altine wala talaata ñu daal di cee xuus ndax manul caduc incha allah caduc la gërëm di la problème bi mi ngi mu ngi percé ba léegi <laughs> euh, de ce fait suñ ko indee incha allah euh, ah ndokk ba malheureusement doyen Mbaye Ciss du ko fekke mais xam naa su ko fekke won Moussa Ba am na lu mu wax. Euh, vraiment. euh, Izo man démb sax maa def voix bi. waaw yow yaa traduire euh, voix bi en français mu am la mu daaneel. Mbaye wax mané ah sama waaja lu mu daaneel du euh, du danel ba daal xaw na maa mais nag dinañ ci wat bu baax a baax. en tout cas ça a été un plaisir ñu lay gërem de la sante di kontaan ci yow ndax nit ñu mayee ñu daal di yaatal éléments yi bari na lool mais teewul itam. ànd nga ci ñun ba nga may ñu ñu daal di yaatal waaye nag gàcce ngaalama ñi nga xam ne ñooy chef religieux yooyu nga xam ne ñoom ñooy grand Serigne. Mhm. Dame sëriñ mhm. euh, Serigne euh, Serigne Abdoul euh, Njég Kasante Njigéen Boubacar Njigéen. Mhm. ñoom ñëpp ak ñoom sëriñ Omar Dem ñoom ñëpp ñoo boolandoo daal di wax. ngir intérêt prestige kon nak ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci combat bi nga xam ne porté nañ mhm. ngir prestige TV mhm. ma delluwaat la sa moomeel Moustapha merci beaucoup Saturne donc tout ce qu'on peut dire à ces ñi nga xam ne ñooy porté combat boobu c'est un petit mot mais li nga xamni modi moo valeur bi reyna trop moy merci et que ñi nga xamni ño nek nekk ngeen di xéxal té ñu nek fi ci kër gi gis nañu tamit liggéey bi te dañ leen gëna tax ñu xar seen tank tubéy mm-hmm. gëna yéggal li nga xamni modi euh, prestige manam niveau bi mu ag té mu nek moomeelu wa Thiès té mu nek aussi moomeelu sénégalais yépp képp ko xamni ni yaa ngi koy seetaan yaa ngi ci gis sa bop ci nooneen rek lañuy def nuyu aussi suñu mbokk internet yi nga xamni ñomit dañuy japp ci combat bi Momar tal merci beaucoup à toi medou Ndiaye les deux medou ndjay ñomit à chaque fois Euh, dañuy ànd ak ñun ki nga xam ne aussi moo di njaga borom kafe gi borom was bi moom it mi ngi ci commentaire ñu gërëm ko gërëm bu baax Baara fay moom it ñoom ñëpp ci ñi nga xam ni ñoo ñooñu siiwul suñu xarit ba ak actu mm-hmm. moom it eh, <laughs> waaw xëy na tey tey xëy na <laughs> donc moom it ñu gërëm ko bu baax mais aussi pour wu dire que Prestige le groupe Prestige c'est pas Prestige TV rek c'est pas 95 point 5 rek c'est pas aussi rek li nga xamni modi production bi rek donc il y a beaucoup de beaucoup de départements yo xamni nek na ci kër gi yo xamni machallah tout ce qui li ko intéressé moy le développement de Thiès moy le développement donc du Sénégal et ce développement là passe par l'éducation passe par l'enseignement et passe par li nga xamni modi inculquer à ces enfants là des valeurs mais aussi des connaissances pour que ëllëg ñu mën nek des citoyens modèles ci lolé nak lañu ñëw pour commencer ci li nga xamni modi benen patch bo xamni tay aussi ci kër gi nek patch bo xamni moom je jagleel li nga xam ni moo éducation modi enseignement de modi cœur euh, Fanta di li nga xamni modi euh institution scolaire bi nga xamni nek na fi euh, ci Thiès nek fi ci Ngent te ki nga xamni modi doyen Mbaye Ciss nek fa directeur nak mom lañuy ñuy fas waxtan jëm ci li nga xamni tay modi def le bilan donc de la de l'année scolaire mais aussi le bilan euh, bi nga xamni mom moom la pratiquement jëm ci année bi ak aussi les perspectives alors doyen Mbaye Ciss ñu gannaaw bañ la nuyoo bokkoon nga ci waxtan bi on va aller directement dans le dans le vif du sujet pratiquement effectivement ci li nga xam tay waxna ko légui ci sama njëlbeenu wax moy le bilan tay buñ doon def li nga xam modi résumé euh, donc bu année scolaire bu année bi nga xam modi 2022-2023 quelles sont les grandes lignes. Euh, jërëjëf iso di rafet rafetluwaat encore euh, waxtaan bi ak wax débat bi nga xam ne fi am. Mm-hmm. parce que mën nañu toog ba midi. day mm-hmm. épuiser les sujets. tay franchement. éducation nag boo ma si le lieutenant Sawra wax on dit que le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. Il ne mhm. n'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Affirmatif. Donc l'école est extrêmement importante. Parce que c'est Victor Hugo qui disait l'éducation, c'est la famille qui la donne. Mhm. Mais l'instruction, c'est l'État qui la doit. Mhm. Donc pour démontrer que l'éducation est l'instruction. Cette année, début d'année, le Sénégal a des problèmes de grève, de débrayage depuis 2006 Sénégal année c'est une grève très longue de deux ou trois mois Là, la revendication surtout d'ordre pécuniaire Khalis. C'est là beaucoup. J'ai 26 ans. Mhm. j'ai fait à 18 ans. Mhm. donc je sais ce bi nous mu n'est-ce pas. Mhm. donc dañ di revendication de revendication cette année le président s'est levé octroyé à l'ensemble des, enseignants 100 milliards de francs. Djoklenko, les gars se sont retrouvés avec des rappels extraordinaires, avec des salaires maintenant très costauds. Mhm. Mhm. Donc ça a contribué à apaiser la tension dans l'espace scolaire. Si bien que, à Nibi, on n'a pas noté du tout de grève. Il y a une grève, il fait noter. Mais simplement c'est des greffes d'amalgame mhm. parce que des enseignants qui en dehors de l'école pour des problèmes politiques Ils mhm. ñu il faut qu'on libère ces gens-là parce que ces membre c'est militant Il jàpp ñu plus pour des revendications scolaires mais plutôt des revendications politiques am parce qu'au au Sénégal faut comprendre que euh, l'élémentaire et le préscolaire nous avons 32 syndicats le préscolaire et, et, le supérieur 32 syndicats. rien que les CELS il y en a 3 CELS. donc ku est prendre pour sa chapelle vous qui avez bien une grève ñu une grève grève grève mais cette année Dieu a fait qu'il n'y a pas eu de grève comme nous, essayé de de ça et ceci au bénéfice des parents au bénéfice des élèves. Donc, cette année scolaire, donc, sur le plan revendicatif, sur le plan grève, une indication, une, année scolaire apaisée et très correcte. Mm. Ceci, ça nous a poussé à continuer les enseignements apprentissage. Mm-hmm. Mm-hmm. Nous Nous, du moins ici, dans la zone, on n'a senti aucun mouvement de grève. Et là, c'est très bénéfique. Donc, les gars avaient menacé de boycotter les examens, mais qu'un top ainsi. Nous avons dit que les examens parce que c'est le camarade a jàpp hmm. mais les gens n'ont pas été suivis parce que gars quel monde en bas emballé bu nous ba dit grève mais une grève deux jours, tu l'as préparé pendant six mois des missions dans les écoles un jour parce que le 13 mai 1980 mais on était parti en grève c'est le jour 13 mai 80 L'intergrève. grève on l'a préparé pendant sept mois hmm. bi ñuy grévé nous, nous avons un syndicat force qu'on appelle le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal du Sud-Est tous les enseignants se retrouvaient dans le même syndicat ce jour-là mm-hmm. les problèmes des enseignants ont été pour un jour les 13 les 14 les enseignants sont partis à l'école mm-hmm. maintenant avec la loi du 7 mai 81 qui a initié le multipartisme sauvage la loi de 7 mai 81 qui mm-hmm. a initié le multipartisme sauvage donc il y a aussi le but de faire une syndicale mhm. Donc pour créer un syndicat, c'est très facile. Il faut sept personnes pour créer un syndicat. C'est très Et les avantages aussi qu'il y a, que les leaders syndicaux ont, uh-huh. c'est extraordinaire. Donc nous Donc pour démontrer que cette année, la a été vraiment très calme sur ce plan. Mhm. Très calme sur ce plan. Donc euh, ça c'est très important parce que euh, li nga xam rek que bu fekkee bëgg nañu ay performance bëgg nañu li nga euh, donc modi résultat il faut li nga xamni ne calme am ci li nga ne moo di na ci nga ni waral lolé bokku na ci yu bari jàngalé kat yi nga chaque fois dañuy nekk en mouvement mais ren comme ni ko waxé bu calme mais au niveau ci li la tamit lu bari di di di au niveau du programme au niveau li niveau des élèves cette année qu'est-ce qu'on peut aussi lan par rapport à ça. Euh, niveau des élèves Sénégal, il Sénégal a am histoire. à un m'a donné une histoire nañ jël parce que l'enseignant était formé dans les écoles normales. Mm-hmm. l'enseignant il fallait faire 4 ans. dans les écoles normales. et des enseignants internés. Mm-hmm. à l'issue de la quatrième année en responsabilité interne dans la bourse nous moi quand j'entrais parce que j'étais au département d'espagne bi ma kartu la dame et disons au CFPES nous on a fait été à la base aérienne Pas mhm. suñu école la le fala pas pas nekkoon école normale n'est-ce pas mais nous on nous formait de façon extraordinaire Il faut dire que nous étions très bien formés mais vers les années 2005 2006 il a commencé encore à avoir des ailes de dente le quota sécuritaire. Mhm, mhm. N'importe qui pour faire n'importe quoi, n'importe qui pouvait être enseignant. Mhm. Le niveau a commencé à baisser. Nous, on a vu une couturière qui était au marché de grand qui avait le bac D en 1975, beaucoup quota sécuritaire, quelque comme professeur de mathématiques dans un CM de la place. Un mois après, en sixième, les élèves ont commencé à, à crier. Des élèves de sixième qui ont commencé à crier. Nous sommes qui Il y a petit quota sécuritaire. C'est bien vrai de dire que les gens ne mais aussi ils ne savent pas. Ça, c'est extrêmement important. Mhm. Est-ce que le niveau est là hein? Parce que le programme euh, euh, a changé, n'a pas changé. Le programme a changé parce qu'on travaille avec le 79-165, programme Bobo le 105, mais actuellement, il y a le curriculum de l'éducation de base par l'entrée par les compétences. Mais enseignable, il faut se conduire sur Mais est-ce qu'il a les outils nécessaires Est-ce qu'il a la capacité nécessaire Est-ce qu'il est assez outillé pour pouvoir conduire cet enseignement Donc, il faut accuser les élèves. Il faut accuser les enseignants. C'est ça le problème. Mm-hmm. Alors, si <laughs> Nous avons maintenant, c'est très important, et la venue de Kër euh, Fanta dans l'année li nga mode ne scolaire fii ci qu'est-ce que ça augure c'est Jean Ecker qui disait que bâtissons des écoles neuves pour les petits que nous aimons. pour bâtir une maison nouvelle, jamais les maçons plus gaiement hein, ne sont pétris plus durcement. Tout à fait. Et ce maçon, c'est pas d'ombre. Hmm. Affirmatif. Affirmatif. Était le maçon. Mm-hmm. Il a créé un établissement. Mm-hmm états de femmes de femmes de femmes tarifs Tarifs on parle de trois classes une école d'abord dès le début il y avait des difficultés au plan fonctionnel bien c'est avait que nous saluons mhm. il a été le porteur de ce projet euh, il est venu il pour le projet parce que je connais ses capacités parce que nous avons travaillé pendant presque dix ans à l'inspection mhm et eh, je vous le donne je vous donne benn exemple gis nga le euh, avant-hier. Mhm. en 36e calcul bi génn calcul bi. Mhm, mhm. calcul bi génn en terme compliqué <laughs> mais xam nga kan moo concevoir. Hmm. beng ban beng Ablaye. suñu beng bi moko concevoir en 2019. Hmm. Ah bon euh, euh, euh, non, non. plan ah <laughs> ah boobu moi, moo ko bind en 2019 ah est-ce que tu sais que la plupart des programmes nous sommes au niveau scolaire nous nous avons participé à ce travail Mbengue moo ko concevoir. ah bon ah. donc donc donc donc donc imaam yi li doon wax ci prestige. gis ngeen uh-huh. donc ki ngeen di gis mu toog fii à chaque fois. Uh-huh. Euh, euh, mu di doyen Abdoulaye Mbengue le chroniqueur bu bu euh, nu nga waxee. <laughs> kiiw kiiw. <laughs> ci ci réseaux sociaux yi. gaa yi ñu ngi naan ki bind lii nañ ko war <laughs> a jàpp archive am métti non non eh, archive am c'est bien adapté hein ah. très bien adapté ah. archive la dem jël dañ jëli andi ko démontrer que et eh. Bobby. <laughs> voilà voilà voilà voilà. merci beaucoup c'est ça. Hein. mais aussi euh, mhm, c'est un concours. Mhm. c'est très sélectif. école mais sujet corsé corse la ñu jox. Ah mais ñuy ñafi di si génn. Mm-hmm. mais quand j'ai demandé à mes élèves dañu ah mais ñu day c'était pas c'était pas difficile. fait pas que gis nañ lep. c'est ce qu'ils nous ont dit. Hein? oui les élèves que j'ai interrogés mes élèves dañu ah ñu day monsieur ils sont venus vers moi d'ailleurs pour me dire que mais monsieur ñu day wax dëgg yàlla affaire bi suñu maître bi ñu jàngal de gis na lep xel dal en d'autres occasions dañu c'est difficile et c'est très relatif aussi. Mm-hmm. c'est la relativité. Mm-hmm donc pour revenir à l'école que Fanta il faut Pape faut contribuer à euh, environnement prestige à aura à autorité bi nga mhm. expliquer parce que quand tu, tu, démarres avec 30 euh, élèves aujourd'hui on se retrouve presque ay au moins 150 élèves en l'espace de deux ans deux ans en l'espace de deux ans quand j'ai pris l'école j'ai pris l'école l'année dernière mhm l'école, peut-être au niveau administratif, n'avait pas, n'était pas très assis. Mhm. Mais je me suis battu, mhm. battu, battu, jusqu'au plan national que l'école soit reconnue. Tout à fait. Et nos enseignants actuellement, à l'heure où je parle, sont dans les différents jurys d'examen Formidable. Et nous sommes une école qui est codifiée au plan national. Oui. Et donc tout cela, c'est au travail collectif mhm. que nous sommes en train de faire. Et ceci, c'est grâce à Pape Doumbouya et grâce aussi à Nyombeng. Mhm. Parce que euh, on dit que on peut se tromper dans l'histoire de la médecine. On met en danger une vie humaine. On se trompe dans l'action politique. On met en danger une génération. On se trompe dans l'action éducative. On met en danger mille et mille et mille et mille et, mille et, milliers de générations. Et l'enseignant qui doit conduire maintenant cet enseignement-apprentissage. Parce qu'on nous confie un enfant. Mhm dès le mois d'octobre, l'enfant entre au CI. Mhm. On ne connaît que sa filiation. On sait que l'enfant s'appelle Lamine ou Iso, ou ou bien Isaac. Mhm. Et pourtant, dès le mois de mai, l'enfant va lire, va écrire, et va compter. Mhm. Œuvre Les enseignants. Les enseignants. C'est pourquoi Victor Hugo disait que l'enseignant était net, lucide et grave. Qu'il est le prêtre de l'idée. Le prêtre. Il est le médecin de l'ignorance il est le magistrat du progrès. Il est souvent, mhm. à la fois, en même temps, des fois, quelquefois, parfois, souvent, tout. Tout à fait. On ça. Ah oui. Mm. tout à fait. J'ai des frissons là. Voilà. Pour démontrer aussi que mhm, mhm. Euh, on dit que celui qui enseigne est forcément opiniâtre, car il fait le travail d'un homme qui n'a jamais tort. Car le courage gouverne l'enseignant, l'honneur l'entraîne, mais la dignité la personnalité, le is au niveau supérieur. Tout à fait. Donc, Pape Doumbouya, ce qu'il a fait, c'est une réalisation monstre et c'est éternel. Mhm. pour -hmm. Pour d'ici des années et des années, mhm. mais mm -hmm. que cœur Fanta a été créé par Pape Doumbouya. Et, Il y a un Today. Vous savez ce que disait Lincoln Abraham Lincoln. Ce que je suis, mhm. ou espère, j'ai le droit à mon âge mère eh jël école bi dëppee ko yaayam. Mhm. c'est une chose immortelle. Mhm. et daa am benn benn benn benn mbir boo bu boo xam ni bi ngay wax léegi j'ai ma gis ko ci li nga xam ne moo di trajectoire wala ligne de conduite bi nga xam ne moo di Pape Doumbia c'est-à-dire que quand tu crées une école. Mhm. c'est-à-dire que mooy mooy mooy pratiquement le bas li nga xam ne moom ngay defaree citoyen et en haut tu mets prestige pour la conscientiser conscientiser li nga xam ne moo di les populations les citoyens leur donner la bonne information et pendant ce temps il y a des ci qui souffrent, ngi inculquer li nga modi, modi, ces enfants là le savoir la connaissance mais aussi une bonne éducation quelle est la ligne de conduite c'est-à-dire que quelles sont les valeurs yi nga xam ni le le Yaay Fanta di incarner. le savoir est un prestige mm-hmm. slogan le savoir est un prestige mais allez que savoir lui il va être président de la République mhm. parce qu'on dit que c'est Pasteur qui disait quand j'approche un enfant il m'inspire de sentiments mhm. celui la tendresse pour ce qu'il est et celui du respect pour ce qu'il peut devenir un jour mhm. celui de la tendresse pour ce qu'il est c'est un enfant mais celui du respect pour ce qu'il peut devenir un jour président de la République donc cet enfant là en a Fanta ils vont devenir les présidents de la République ils vont devenir des Pape mhm. parce que Pape est un inspirateur. Mhm. c'est un enseignant mais sans numéro matricule. Mhm. <laughs> vous voyez, bien parce que porter une école mais c'est un combat qui est éternel. tout à fait et que Fanta actuellement fait partie du paysage de l'éducation au, à Thiès même au Sénégal. parce que nous faut nous euh, au niveau du ministère de l'éducation nationale nous sommes vraiment bien cotés Dès toog temps il le passé le ministère de la santé nous nañu ah, on reçoit une délégation du ministère de la santé vous avez été choisi parmi les 30 écoles du Sénégal qui war abrité un projet comme là pour euh, expérimenter au niveau du programme élargi de vaccination mais il y a combien d'écoles au Sénégal on a choisi 30. Mhm. et c'est pas des 30. c'est pas n'importe quelle école qui ont été choisies. nous nous sommes école privée. Mhm. mais on nous a choisi et les 29 c'est des écoles publiques. Mhm. on a choisi simplement Fanta. une école privée formidable. pour démontrer donc l'aura que disons la notoriété que Kër Fanta a au niveau du cœur de l'éducation. Samedi 24 juin 2023, une date. une date le 24 juin 1817. Euh, c'est la première évaluation de l'école sénégalaise. N'oublions pas que le premier cours au Sénégal, la première école a eu lieu le 7 mars 1817 à Saint-Louis avec Jean Donc, hasard de l'histoire, mhm. le 24 juin. Mhm. Donc, c'est la première évaluation de l'école sénégalaise en 1817 à Saint-Louis. Mhm. Nous, nous fêtons le 24 juin 2023, la fête de l'excellence. Mais qu'est-ce qu'on va honorer Les élèves. Comment on va les honorer Pourquoi on les honore Pour le travail, pour leur mérite, pour leur excellence. Parce que dans le classique, du CI au CM2, on a des problèmes. Les étudiants avaient 9,99 de moyenne. Mm-hmm. Parce que moi, je suis allé à l'école, je suis 7 ans. à 7 heures, je suis à l'école. Mm -hmm. Ponctualité. Ah, si vous avez fait un café. très mm-hmm. souvent. Je suis venu, je suis fait un café. Je suis venu à l'école. Mhm. toutes les préparations Je vais vérifier vérifié mhm. j'entre dans les classes pour xool ni ngay jàngale tout cela pour euh, mhm. je suis on est entré dans les classes on avec des moyens de 9,99 jaaxle ñu ne plus de 12 élèves 13 élèves dans toutes les classes ñun nan des di primer amuñu moyens de primer tous les tous les tous les 12 9 et quelques pour démontrer aussi que le travail est en train de marcher au niveau des intéressantes. Moi, nous choisir le 24 pour honorer les élèves. Parce qu'on dit que il y a deux choses pires que la mort. Mourir sans raison et vivre sans honneur. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ce jour-là, ces élèves vont être honorés ici, devant leurs parents, devant Thiès. Parce que tout ce qui Thiès compte sommité mm-hmm. va venir ici. Tout à fait. Pour voir nous au curfante, ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire dans l'ombre peut-être nous avons fait quelque chose du préscolaire à l'élémentaire donc on avons choisir ce jour pour pouvoir honorer nos élèves pour pouvoir euh, euh, montrer ce que nous sommes en train de faire le travail que les gens abattent un travail très compliqué très difficile mm-hmm. les métiers de l'éducateur mm-hmm. l'éducation qui est le socle d'un pays et c'est Mitterrand qui disait François Mitterrand mm-hmm être enseignant n'est pas un choix de carrière, mais c'est un choix de vie. Ce n'est pas un choix de carrière, mais c'est un choix de vie. Mm-hmm. Et c'est l'icône qui disait on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, mais on enseigne et on peut enseigner que ce que l'on est. Mm-hmm. Mm-hmm. Voyez bien. Donc, ce que l'on est, on va transmettre les enfants. c'est ça, nous sommes en train de, transmettre ça à ces enfants de 4 ans, que nous allons honorer les 24. Et l'éducation est une âme et c'est l'arme d'un peuple. Un peuple, euh, si, son système éducatif échoue, le peuple va échouer. Et je vous disais tantôt tout à l'heure que le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. Tout à fait. S'il n'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Et quel sera le programme pour pratiquement Oui. <laughs> bon, d'ailleurs, cette année, donc, est une grande dame. Une très grande dame. Mm-hmm. Une très grande dame. Mm-hmm. Qui est aussi éducatrice, c'est Madame Aïssatou. Tiens Kassé, mhm. qui est inspectrice de l'enseignement et qui une référence au niveau de l'éducation. Une femme. on a l'habitude de dire que quand l'homme réfléchit, la femme a déjà compris. Mhm. Quand l'homme réfléchit, la femme a déjà trouvé. Mhm. Une dame donc qui a parcouru le système éducatif de bout à bout, à, l'inspectrice pleine. Donc elle a traversé le système éducatif. Donc c'est une référence. Et à un moment donné dans la vie, il faut qu'il y ait des références. Mhm. Et ces enfants ont besoin de références. Actuellement, c'est la conseil technique du ministre des Transports aériens et des Infrastructures. Mhm. Donc, c'est elle qui est la marine mhm. de de cette édition. De cette la mise en place. La mise à 16h. C'est ici. C'est au niveau devant, devant l'école. Et nous convient tout le monde. Tout le monde. Mhm. Tout est. Merci beaucoup, Doyen. Merci beaucoup pour ces leçons. Merci beaucoup pour ce cours magistral. Ah Merci beaucoup pour le savoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre Et nous aussi, nous souhaitons, parce que Jean Jaurès qui disait, mhm. qu'être fidèle aux anciens ne signifie pas conserver les simples, mais porter les femmes. Et je pense que ces plans, vous allez les porter. Ah oui, Merci beaucoup donc rendez-vous est donné demain 24 euh, juin fi ci buntu Prestige fille nga xamni ni école euh, Kër Yaay Fanta nekk aussi yenn ci pàcc yi nga xam ni moom la groupe Prestige teg fii comme ni ñu ko waxee léegi ni ko euh, sunu papa sunu doyen sunu pratiquement sunu lépp donc rendez-vous est donné demain donc Tafa tout le monde sera là donc pour accompagner l'excellence pour magnifier li nga xam ni l'excellence mhm. à travers Kër Yaay Fanta <coughs> merci beaucoup Saturno aussi mhm. euh, ci ci jàppandal gi d'avoir donc gunge ñu ci li nga mhm. xam ni yaa moo boo ci bëggoon dool ah d'accord, ouais. Donc on va on va on va on va vous libérer. Donc le temps de, de, donner de dire aussi à Saturne merci aussi yow pour nous libérer avec la première partie <laughs> Voilà, jërëjëf euh, Isaac euh, jërëjëf Iso voilà content euh, de nous. vraiment émission bi comme Gaël yi et ñu koy la ala na monsieur Ciss Daldina, dina li nga Euh, ma kontaan ci lool di remercier Isaac Tapa Moustapha Tafa le jeune ci li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne jot nañ ko def jàngat ci li jëm ci wàllu Euh, euh, xibaar mu nekk lu am solo di la gërëm di la sant dina ñaanal yéen kenn lu jàmm. merci beaucoup euh, Saturne Ndione merci beaucoup donc doyen Mbaye Ciss moom lañ dalaloon moo di directeur école Kër Fanta donc demee mu nekk li nga xam ni moo di la journée de l' excellence bu Kër Fanta à partir donc ci ngoon nga à partir de 16h lay doon. donc fi nga xam ni moo di mise en place bi jox dig daje ñëpp foofee alors merci beaucoup ñu def rek benn une petite pause bu ko defee ñu daal di retrouver li nga xam ni la deuxième partie de cette émission Maudit prestige matinal